Concernant l'alimentation du bétail, face aux difficultés liées au déficit fourrager dans certaines régions du pays, le renforcement de la résilience des éleveurs a été une de mes priorités. Ainsi, plus de 8 milliards ont été consentis pour organiser des opérations de sauvegarde du bétail et une mise en place d'un mécanisme innovant d'auto-approvisionnement des éleveurs en aliments de bétail. Ceci constitue un cas d'école devant bien inspirer d'autres secteurs de la vie nationale. Je suis heureux de constater l'utilisation de ce mécanisme ainsi que la bonne gestion du fonds revolving qui globalement se situe à plus de 2 milliards et demi de francs CFA Fofu damay taxaw touti wax len ni kontaan qui ci éleveurs yi kontaan ci ni ngeen nexa a ndax biñu tambalé opération sauvegarde de bétail yéen est géré à travers la maison des éleveurs. Aliment Binyandi Djok, Wachtoui Maywakhien, c'est un fonds 2 milliards et demi 2 milliards et demi yoy dina len ci yokal fan yi di ñew a li nga xam mo ci assurance arc yenen ñaari milliards mu nek 4 milliards et demi